déposé lu ñu fi taxaw na indi te loolu moo waral d'ailleurs déclaration de presse bii ñu bëgg a def comme ni ñu ko defee woon ci ay jamono waxtaan ak sénégalais yi expliquer leen lu ñu jot a dund jamono bu ñuy teg loxo yem ak vendredi 2 juin 2023 mu nekk ay moment yu metti sénégalais yu bëree bëree bëri ñu promettre woon sénégalais yi que mbir mi duñ ko bàyyi mu sedd. et que nous ko top ci yoon ba luñu may donc aujourd'hui on est là nous sommes ñëw fi ci tribunal bu grande instance de Dakar pour euh, déposer une plainte parce que nous ko waxoon askanu Sénégal nous lañu nekk di def déposer une plainte sur la table du procureur de la République l'actuel procureur plainte bi c'est une plainte pour séquestration, enlèvement illégal, violence et voie de fait, injure publique, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, coups et blessures volontaires, arrestation illégale, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et enfin menace de mort les infractions yi nga maintenues. visé nañu ko suñu bir plainte bu déposer sank ni ci le procureur de la république Le premier ñu waccok article 32 bu code de procédure pénale le procureur de la euh, république reçoit les plaintes et les dénonciations étant apprenti juriste nous avons bien formulé notre plainte une plainte de 21 pages parce que ci bir plainte bi sais que dinañ leen ko d'ailleurs amna ay image amna ay vidéo amna ay capture lepp luñu japp ni dina aider la l'autorité publique à ce que mu meuna édifier mu leer ci bop sénégalais yépp dëxañ nañ ko ci di fatali né encore une fois ñi nga xamante ne la plainte bi di viser dinañ leen leen limel légui légui pour que sénégalais yépp bokku ci yem waaye laataa loolu. dañoo bëggoon juste wax ni du fayantoo du xolum kiñaan du dara waaye lu tax ñu déposé plainte bi ñaari mbir dong kott la bu ci njëkk muy rendre un vibrant hommage waaye aussi soulager xolu sénégalais yi nga xamante ni guddib samedi bi ñu génnewee image yi ak vidéo yi kenn xamul ñaata nit ni ñuy dajal ñu naan ñu yéen duñ leen jooyal mu metti leen ba seen biiru xol Nous am yaqin ne jàpp ni xeyna suñu yégué ni introduire nañ une plainte contre ñi nga xamante ñoo ñu ko doon def te dinañ leen dinañ ko lim légui légui xeyna lolu dina am lu soulager ci donc nous ngi leen koy à travers votre couverture médiatique que moi en tant que victime d'une sauvage torture inhumaine je viens de déposer une plainte C'est nek première raison deuxième raison bi moy li nga xamanteni mo jëm ci loi cette loi disant loi d'amnistie bari na ay victimes yi Macky Sall ak ay collaborateurs nguuram def ci rew mi am ñu bëri ño lor nañu len waye su lor gogu ñu len lor dañoo indi ab loi pour bañ ñoñu top len ci yoon motax bari na ci ay victimes yo xamante mënu ñoo top ci yoon ñi nga ñoy ñoo len def jëf yi ñu def. rawatina les détenus politiques ak ñoom i seen waaye ñun xeyna yalla dafa jaarale mbir mi ci ñun ba tay ñu am possibilité té ñu ci dalal xelu sénégalais parce que dégg nañu seen ay interpellation est-ce que avec la loi d'amnistie plainte bi dina aboutir ñu leen di wax dalal leen seen xel parce que la loi d'amnistie ci champ d'application les actes de torture kenn mënu ko amnistier ci aduna le Sénégal a ratifié la convention contre la torture nga a les Nations Unies ont adopté depuis 1984 décembre 1984 plus précisément le 10 décembre nous avons signé en février 1985 Sénégal ratifié le 5 février 1985 il est entré en vigueur le 21 août 1986 convention internationale contre la torture Bobu, dans son article 2 alinéa 2 article Bobu lu wax leer na ci kanamu état yu ko muy lan article Bobu nee amul exception bu meuna tax ñu ci pour mener a acte ay acte de torture aucune exception même étant dans un état de guerre wala une menace de guerre wala dans des troubles politiques intérieurs Manam ci amul ben excuse pour nit évoquer pour mener euh, lakatu làqatu ci excuse pour mën jëf torture donc lolu nek ben. au-delà de la convention bi nga xamantene mom la len la convention internationale contre la torture il y a également dans nos textes, nous le code pénal sénégalais, dem ci article 295-1 du code pénal sénégalais, notamment aux alinéas 4 et 5, il faut faire les mêmes dispositions. Il amul a des mindef qui sont souffrent. Il faut faire des exception pour exercer des actes de torture contre qui que ce soit. En gros, ñi ngi dalal xelu sénégalais yépp di leen wax ni torture bokkul ci champ d'application loi d'amnistie et par ailleurs boole nañ ko ci suñu dossier yu déposé l'ancien ministre de la justice muy Aïssata Tall Sall su ma juumul presse bi sénégalais yépp opinion nationale internationale ñëpp dégg nañ ko ginnaaw bu ay député de la république buñ ko interpellé jamono ju ñu bëggee voter la loi d'amnistie ne ko ndax acte de torture yi ci la bokk réponse était claire et limpide Mais en tant que ministre de la justice et un juriste les actes de torture ne font pas partie du champ d'application de la loi d'amnistie donc lolo, on tenait à le soulever pour que sénégalais dans dalal Sénégal, xel ci domaine maintenant nous avons plainte Nous ñu porter plainte de ñenn ñu ki nga xamantene moy Pape Malik Ndour ancien ministre de la jeunesse ci Abdoulaye Wad, ci Makissal, Macky Sall mangi ngi maa ngi ci Macky Sall plainte bi ki nga xamantene mom Antoine Abdoulaye Félix Diom nek ancien ministre de l'intérieur il a été cité dans cette plainte ki nga xamanteni moy mooy général Moussa Fall te jité won fi gendarmerie nationale touram mi ngi ci bir plainte bi bokk na ci ñu ñu visé ci plainte bi ki nga xamante ni ñuy surnommé le fameux chef Sow nga xamanteni ni fu ñu génn sénégalais nan ñu mbaa baaloo leen chef Sow chef Sow moomu ñuy dalal xelu compatriotes sénégalais yépp di leen wax ni touram ngi ni ci bir plainte bu ñu déposer sur la table du procureur de la république waaye ñu ci ñom kese cette plainte nous aussi contre toute autre personne liée de près ou de loin à ces infractions yi nga de séquestration enlèvement illégal violence et voie de fait injure publique acte de torture et complicité de torture traitement inhumain cruel et dégradant coups de blessures volontaires arrestation illégale association de malfaiteurs l'une des def association de malfaiteurs lañ koy tentative d'assassinat ak li nga ne menace de mort enquête bi le maître des poursuites état apprenti juriste je veux être clair à partir d'aujourd'hui d'autres defati benn commentaire ci biir dossier bi nga xamante nous avons nañ ko bés ni

nañu bàyyi bu réformer la magistrature bés bu ñu un procureur bu gën libre gën indépendant procureur bi fi nekkoon muy Abdou Karim Diop su ko defee ñu daal introduire suñu plainte te lañ def la semaine passée nous avons déggee ni procureur de na fonction ñu ne toogaay amatul sénégalais yi ñu Nous ñuy xaar nañu jóg sol suñu dal dem fi nga tribunal de Dakar pour introduire notre plainte donc en grosso modo li mo nekkoon li nga xamanteni mo fi gënonu a et au delà de plainte bi ñu cité amon nañu d'autres plaintes yo xam bu ñi nekk ci kasso bi dugulon nañ ko te mujjul fenn motax su maître nañ ko def nañ ko ci dossier bi bolé ko ci nga xamanteni procureur am nañu yaakaar ni dina ci taxaw parce que porté won nañu plainte ay nit waaye comme te ñom dañu amoon sen procureur bop motax mujjul fenn waaye bi am nañu yaakaar ni. dina muju fenn mo waral lettre d'information bi nga xamantene dexeñ nañ ko ci bir plainte bi pour informer procureur ay plainte yoo xam introduire introduire nañ ko te nekku fi woon te muju fenn te bokku na ci plainte yooyu muy suñu plainte en octobre 2020 ginnaw bavure policière bu ñu subiroon devant la grande porte de Lucat te ci bir plainte bi ñu bind ci turu gemi ñu ko defoon fen immatricule ak lepp waye procureur bi enrôlé won plainte bobu ba taxone ñu dem ñaar yoon fekk euh, enquête au niveau de la section de recherche procureur boobu dañ ko mujjé toxal yóbbu ko feneen ndax le fait que mu enrôlé plainte boobu motax am nañu yaakaar ci magistrat yu bees yi ñu tab te ñu nekk ci bop ci bop justice bi et nous espérons que plainte bi dina aboutir et que fépp fuñu tollu ci procédure inshallah rabbi dinañ tenir informé l'opinion nationale comme internationale. ñëw en résumé ci ci français avant tout nous comptons présenter nos plats d'excuses à vous journalistes qui depuis des heures vous êtes restés ici pour nous attendre afin de pouvoir recueillir notre déclaration de presse. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous parce que nous venons de poser un pas pour éclairer toute la vérité sur les actes criminels qui se sont déroulés dans ce pays. Des personnes tuées, des personnes torturées, des personnes piétinées, des personnes séquestrées, des personnes arbitrées illégalement et injustement. Faisant partie de ces victimes, comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, aujourd'hui, on est venu au niveau du tribunal de Dakar pour saisir le procureur de la République, comme le dit l'article 32 du Code de procédure pénale, que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Donc on est venu pour porter plainte porter plainte contre toute personne qui, de près ou de loin, est impliquée dans les actes de torture dont on était victime il y a à peine une année. Donc on a introduit cette plainte et nous avons reçu notre décharge qui est ici sous nos yeux. Juste pour rappeler que les motifs de notre plainte ne sont rien d'autre que nous venons de déposer une plainte pour enlèvement illégal, séquestration, violence et voie de fait, injures publiques, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, coups et blessures volontaires, arrestation illégale, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et menace de mort. Comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, cette plainte vise Nonobstant, les personnalités suivantes. Il s'agit effectivement de l'ex-ministre de la Jeunesse sous le régime du dictateur Macky Sall, en l'occurrence M. Pape Malik Ndour. Cette plainte vise également l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime de Macky Sall, en l'occurrence M. Antoine Félix Diom. Cette plainte vise l'ancien chef de la gendarmerie nationale, en l'occurrence M. Général Moussa Fall. Cette plainte vise également le fameux chef Sow que vous entendez dans la vidéo de la torture. Mais aussi, cette plainte vise toute autre personne qui, de près ou de loin, est liée à ces actes graves, à ces actes criminels. Donc on était là nous avions déposé notre plainte et nous espérons qu'il y aura une suite judiciaire par rapport à notre plainte parce que avant tout on est des citoyens sénégalais et on a fait ce que la loi nous a demandé de faire. Autre chose, c'est pour répondre à l'inquiétude de certains de nos compatriotes sénégalais qui pensent que cette plainte n'aboutira pas sous prétexte qu'il y a une soi-disant loi d'amnistie. En attendant, l'abrogation de cette loi d'amnistie, nous tenons à dire en tant qu'apprenti juriste et après avoir consulté nos 20 avocats que notre plainte ou bien la loi d'amnistie, le champ d'application de la loi d'amnistie, les actes de torture n'en font pas partie. Donc rassurez-vous, parce que d'après la Convention internationale contre la torture à son article 2, alinéa 2, ce que cette convention dit est clair et que le Sénégal, notre pays, a ratifié cette convention contre la torture depuis le 5 février 1985. Elle a adopté le 21 août, le 21 août 1986. Ceci étant dit, que qu'aucune mesure exceptionnelle, ni en état, état en état de guerre, ou une menace de guerre, ou bien précisément des troubles politiques, ce qui nous concerne, intérieurs, où aucune exception ne pourra justifier les actes de torture. Donc rassurez-vous, chers compatriotes, cette loi d'amnistie, notre cas d'espèce n'en fait pas partie. Et au-delà de cette convention contre la torture, il y a aussi dans notre code pénal, notamment l'article 295-1, à répéter mot par mot, c'est-à-dire ce que euh, la, Convention internationale contre la torture a prévu contre, ou, bien, ou bien pour aviser euh, contre les actes de torture. Parce que si vous allez dans cet article 295-1, euh, notamment dans les alinéas 5, vous verrez nettement que personne ne peut se cacher. Même derrière euh, une décision d'une autorité publique pour mener ou bien commettre des actes de torture. La torture, c'est un crime dans notre cas d'espèce. Donc les charges sont lourdes et nous espérons que le procureur de la République, l'actuel procureur, va enrôler notre dossier et que nous irons en procès contre toute personne je dis bien toute personne, jusqu'à même Macky Sall, s'il est impliqué, contre toute personne impliquée dans ces actes cruels, gravissimes, dans ces actes criminels, il sera poursuivi, traqué et remis euh, entre les mains de la justice. Vous pas déposé la plainte euh, sur la table Effectivement, on ne, pourrait pas, on ne pouvait pas déposer cette plainte sous le régime de Macky Sall ni sous le régime du procureur Abdou Karim Diop. Parce que le procureur Abdou Karim Diop était le procureur qui, malgré notre état de santé très critique avec nos fractures, une tête totalement bandée, il n'a pas hésité à nous envoyer en prison et demander au procureur de la République, au, au juge du deuxième cabinet, Mamoudou Sek, de nous placer sous mandat de dépôt en visant l'article 139 du Code de procédure pénale. Vu que ce procureur a eu cette audace mais porter plainte devant ce procureur qui a facilité la tâche à tes agresseurs ou bien qui leur a donné l'occasion pendant tout ce temps, c'est une perte de temps. Raison pour laquelle on s'était dit d'attendre. Avec l'arrivée de nouveau procureur, nous allons bien formuler notre plainte avec des images comme vous pouvez le constater parce que dans la plainte est